hommes résident maintenant en partie man sama xalat moy dañ eh, fédération def nañ ay pas yu le côté professionnalisation ak euh, jox tier adversaires presque on ne perd plus contre équipe yu africaine. ci Afrique mais comportement bi day woné que déjà un cadre sans le ko parce que quand on donne la parole on la donne que ce soit écrit ou pas mm. euh, ce que disent les hommes d'affaires la parole vaut signature Sénégal Moné, Rwanda loolu fédération weddiwu ko ils peuvent pas prouver que ñoom waxuñu woon Rwandais on joue le on inverse les matchs on joue à domicile on on vous allez jouer le match sur retour parce que loolu lañu ñu si loolu la communiqué bi premier match bi di am en juin 2021 donc nit bo waxé dara nak ba jël un engagement dem tollu ci digënté ba benn moment ñëw mënon nañ fenêtre éliminatoire bi ñu def ni c'est du 4 au 12 ou 13 je crois donc mënon nañu jouer le 5 ou le 6 contre Rwanda ni si Dakar parce qu'il voyage en vol spécial dem jouer dit mais nous le choix voyage beaucoup de bi lañ ciy daw la fédération effectivement moins responsable parce que waaw fédération moins responsable parce que ai décidé mais le choix de ne pas dire les longs déplacements c'est le choix de l'entraîneur il aurait pu prendre un groupe de 30 ou 35 jours am ci ñu mu Rwanda par respect pour l'image et les bonnes relations entre le Sénégal et le Rwanda parce que là on a foutu en l'air le volet relationnel. La fédération rwandaise ne va pas leur pardonner ça. L'État rwandais ne va pas leur pardonner ça. Ils ne disent rien. mais dinañ la ko fayloo ëllëg demee di nga leen soxla ñu et c'est pas la première fois que le Sénégal de du première fois le Sénégal pose un acte Il a da yàq ak benen fédération du n'est c'est pas la première fois et dama yaakaaroon dépassé dépasser le stade Bob. C'est nañ toll fo xamné que même bu nous paré wuñu pour jouer du Rwanda ci conditions yi ñu nekkoon mais nañ leen yobul équipe valable parce que euh, je suis désolé cette équipe là yéne a ngi naan A prime ak pour moi, c'est l'équipe C ou D du Sénégal hein. si Aliou Cissé prend un joueur wala un groupe de 18 joueurs nga tégaat benen 18 jours ñi ñu wo fi ñep kenn du ci ça fait deux groupes de 18 muy ñaata du 36 36 yoy 20 ou 23 jours yi ñu yóbbu ci groupe Rwanda bi kenn du ci bok parce que les remplaçants de l'équipe équipe d'Aliou Cissé yi mu dul jël ci yenn match yi nekkuñu sax ci groupe bi et puis précédent dañ ko précédent bu amé dafa war servir de leçon xam nga ñëpp ngi xam nga ngi fi fateliku équipe olympique équipe olympique nuñ ko éliminer ñaari yoon ci mauvais choix 2019 ñu dem di football yi Thiès L'équipe nationale A war a libérer les jeunes joueurs yi nga ils avaient l'âge pour jouer avec l'équipe olympique on a préféré les mettre sur le banc de touche de l'équipe A alors que c'est un match où il y a zéro enjeu on les a mis dans cette équipe là Nous dem football yi ñu éliminer ñu bi ni ñu wara Mali les meilleurs jeunes de l'équipe A devaient être versés comme ni ñu raté Jeux olympiques euh, Tokyo 2020 ñu ne Paris 2024 war nañ bokk parce que gagné nañu Mali fait. mais même le capitaine de l'équipe qui avait battu le Mali on l'a retiré de l'équipe olympique yóbbu ko dougal ci équipe A bi mu ñëw tok ci banc de touche bi ban jëriñ la fa am biñ koy tout le monde savait que Aliou Cissé jël na ko mais du dugg du une minute ci terrain donc c'est de mauvais choix et mauvaise décision yi jël on ne tire pas les leçons tay ñi ñuy yóbbu booy ñu la vous pensez que ñom Amara boy 17 ans 16 ans yoy tey Aliou Cissé va les intégrer dans son équipe. xool contradiction équipe équipe nationale Sénégal xam fan la prenez le cas de Lamine Camara s'il était resté à Génération Foot saison bii saison prochaine duñ ko équipe nationale pourtant le même talent qu'il a aujourd'hui c'est avec ce talent là qu'il joue bala muy dem mettre Génération Foot pourtant on n'a pas pensé à donner une chance à ces jeunes là donc dama yaakaar ne que waroon nañu comporter wu autrement ak Rwandais bañ leen manquer de respect à sa point la parce que on est en matière de sport tout sa paye tout sa paye tôt taar ëllëg di nga soxla dara ci Rwandais yi ils vont te faire payer c'est te fait mais mais en 1990 Coupe d'Afrique ils ont amené leur équipe B parce que une Coupe du monde moo leen intéressé Coupe du monde Coupe d'Afrique 90 en Algérie c'est une équipe. B l'équipe équipe A prime ne c'est une équipe dañuy préparer coupe du monde bi coupe du monde une parce que peut-être CAN bi mënoon na que préparation pour coupe du monde bi. le match Rwanda Sénégal entre le Maroc et le Sénégal la différence au classement FIFA c'est moins de 50 points. Tu joues un match d'élémentaire de la Coupe d'Afrique, les, points sont plus importants. Malgré le rang, ranking du Rwanda, les points sont plus importants que le match amical. Maintenant, il y a le fait que le classement de l'Algérie, qui est quatrième au classement africain, peut jouer sur le match amical. Si on avait joué à fond les deux matchs gagnés, ça peut restreindre, parce qu'on a été premier en Afrique pendant longtemps, on ne l'est plus. C'est des points qu'on marque mais peut-être que si tu ne gagnes pas au Rwanda ça va te faire perdre des points donc moi, dama pense ni la fédération waruñu parfois entraîneur bi décision pour porter préjudice à l'image au football sénégalais parce que de mon point de vue il faut lañ ci